ce jeudi 19 mars 2020, a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques suivants. Sur 22 tests réalisés, deux sont revenus positifs. Il s'agit de deux cas importés. Trois patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Il s'agit de l'enfant de 2 ans déclaré positif le 14 mars, du mari et de la femme déclarés positifs respectivement le 3 mars et le 4 mars 2020. Ces trois patients sont guéris et leur sortie d'hospitalisation interviendra dans les heures qui suivent. Des instructions sont données à la Direction générale de l'action sociale pour la prise en charge correcte de l'enfant de 2 ans jusqu'à guérison totale de sa maman qui est actuellement en hospitalisation. À ce jour, 38 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5 guéris et 33 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite encore les populations au respect des mesures de prévention. Taï al mars 2020 Institut Pasteur Dakar ministère de la santé

muy xale bi amoon ñaari at te le 14 ñu ne woon dafa positif ak euh, suñu mbokk bi xamante ne contrôlé woon nañ ko le 3 mars fële si Géejawaay ñu ne woon c'est un monsieur de 80 ans moom ak soxnam yépp ñoom lañ hospitalisé woon ñoom ñaar ñëpp wér nañ ces trois patients mooy ñetti patients yooyu xamante ne wér nañ fekk ay waxtu danañu organiser ñu génn leen jox nañ instruction direction générale action sociale pour que xale bi am ñaari at mu toppatoo ko ba yaayam génn parce que yaayam dafa positif te ñu ngi koy faj actuellement ministère de la santé action sociale mu ngi wax ne patients yi xamante ne ñu ngi leen hospitalisé yépp muy euh, fanweer ak ñett parce que cas yi yu ñu déclaré Sénégal fanweer ak juróom-ñett la am juróom yu si wër bon fanweer ak ñett ñoo des hospitalisation ñooñu nag ñu ngi leen toppatoo bu baax seen état de santé mu ngi évoluer ñuy demander population yépp ñu respecter di xamante ne ay digal la jógee ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di remercier bu baax.